Welcome back. aran gan kai assalamu alaikum wa barkan da hunkunci ne wa barkan mu i wannan fada ga kan studio kalangu go tonan da rando à travers son programme jeune et pour la présentation de ce soir vous avez Samira Wafi le thème d'aujourd'hui porte sur la contribution des structures de jeunes dans la lutte contre le mariage des enfants et qu'est-ce qui bloque alors euh, chers amis matakan ayin kida sonda excellent kala faut ta wan gaksina ki kande zankai wana euh, hijan diyango haga kadenga au Niger ce sont dans les zones rurales et dans les familles peu alphabétisées que l'on observe le mariage des enfants, c'est-à-dire avant les 15 ans, réglementé par l'article 44 du Code civil nigérien pour les filles, et voire même les 18 ans, comme l'indique la Convention internationale sur le droit du mariage des enfants signée par le Niger. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a demandé de mettre fin au mariage des enfants de moins de 10 ans. C'est lors euh, d'un symposium organisé à Niamey en 2021 Selon l'UNICEF, le Niger a le taux le plus élevé au monde en ce qui concerne les mariages euh, d'enfants, se positionnant en tête du classement international. Cette pratique euh, touche les enfants des zones rurales plus euh, ceux des zones urbaines du pays. En outre, les filles qui ont bénéficié d'une éducation sont généralement moins exposées à ces mariages que celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Plus la famille est pauvre, plus la fille risque d'être soumise à cette pratique pour des raisons économiques. Pour apporter un changement au Niger, plusieurs structures de jeunes militent pour la lutte contre le mariage des enfants et leur maintien à l'école. Toutefois, ces structures font face à plusieurs défis, tant économiques que sociaux. Alors, comment ces structures mènent-elles leur lutte Qu'est-ce qui bloque leur activité dans ce sens De quoi ont-ils besoin pour accéder à un public plus large Eh bien, les amis, les réponses à ces questions, c'est dans un instant avec nos invités de la FADA. Surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs, tout ça, la FADA, c'est de la chronique, de la musique et une rubrique Chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes restés chez nous au studio Kalangou pour recevoir euh, nos invités euh, pour parler de notre thème du jour euh, qui est la contribution des structures de jeunes dans la lutte contre le mariage des enfants et qu'est-ce qui bloque. Pour en parler, je vais laisser mes invités se présenter eux-mêmes à tour de rôle. Je commence par ma droite. Bonjour, Aïma Ogati Boubakarza Aïgati ONG Jeunesse Plus Yinfuna, ONG Fada des filles. Zainab Jargaïr Gonda euh, Nafissatou Mohamedou Idi, euh, de COGEFIL, comité de jeunes filles leaders. Aha, Nafissa Jarga Ai mayo mantikal Rabia Sulaiman, ayo mantikal fada da fi. Barakan ga hagwai tirai. Mhm. To barkan kay akan binde? Ay man makala Maktara Dullai mantikala animateur no Radio Zenes Sugudel. Ai go guarda forte je gumo, zama forte je ara ne gono gogoi. E Je commence avec euh, ma première question. Euh, Zakara noti, ara hinoti kuna albora kan gexi kun fada au bon avec sintindara. Alors, selon vous, c'est quoi le mariage des enfants Il faut des que zankai wan hijan To zankai wan hijan diyon de gati sanda zanku watakan cinde no zanku wai Amana to sanda jiro wakin iye ga koi yadin dini hegendi. To mafare kan yangono ga temo mafarai gaba to sun kan jiyan woga di ne zanka Wanje ya mm. hinno ha yawo gune wal mu hadda agu zanka awu si zai walin gaiwo a agi kulguna mhm. agi kulguna zama hunkuna gallerano asiba kawiye ra hunkun di iza alboro jirwocin da idu cin da iya inihi gendi na tunga gabo mai ma tunan ki gasam gidan wo bargandira mai amma wo kan kanga hansa ga bagumo nga ti wo borai do hare no iga zan kai din sambu ga hijen alborai sa girwo kin ne za girwo kin ta ci ne mai ne wai za bora man tella kal go bor gina ima hijen alborai sa albora ma tarbiyan ga tunar gano a gina game mhm. wo mu hasaro na kan ne oh Je reviens vers toi, euh, Zainabou. Dis-moi, quelles sont vos méthodes d'intervention dans la lutte contre le mariage des enfants? kan irgite inganogati irmokwai kwarera kwara kwarai din kan aran bai dai kan ba wa kan yan sumanu wa mm. kan yan dai eh, wanda yayi zai dizan kai goga du pro masala yawo duma irgu koy no din yan irmu goro irgu te girbi hinzi girbi taci han fo irgu babi siyadi ne irmu goro inda nyangai babai zankai alborai zai ikul duma irmu goro irmu salan eh, sannobo irmu goro zama irwar gugorno irgu salan eh, pour irmu kan dai imu faham ga bai kan zanka daman to hige man kamatan da ima di zama aga aga jouer a bon aga jouer parent ay bon aga jouer mo labo bon donc wo kan ya irga te wo sensibilisation no bon fer yan irga te bon fer yan irga te irga koyno ir musalangi ya tichar mera zama dir ko mo ir sine borasi a ah, man ti ya dinno aran aran man aran wo karante wo yacin yacin ir sine ise a a niga gorno nim salan ir musalan irga kan nin no mosu mosu dalla dalla num faham ga bayni bon kan wone kan nugo ga tewo man tiyadin no kamata te ni him gnan no ni zo mu koy e kola mu chaw higa agte igi dinga ha mai arzaka mo igi duwa tan kai wai bore zo chaw adu wai bor wo bor kul ga bay kan da du fami sanga fu borai sai na kan da su da nan gufu donc wodi nirga faman di sai a plus b kan vraiment wane wo ki gote man tiyadin no himatan da wo kan himatan da ga tim zanka dan ikol e imaga am chaugaban am dungu goyo irko ma haya kul dogonan dise ai sabu zainabu ai je kan do hagai nafisa akan binde no da hagai comité des jeunes filles leader quelles sont euh, vos méthodes d'intervention pour lutter contre ce mariage des enfants euh, ko j'ai fait ce qu'on fait euh, il ham kan bayan wo kulu zankai da haikan sirtar gihigen de bayan wo isi lokol wala mo bi fur lakol igi targi ka lakol ya dinga di si lakol igo fu igo gori si ga haikulite haire ya gidi kan zankai gogara a gaita ya dinga igi wasi imi zadi hinai kan yir fahamu wa dinga ifo nirgite irga zankai margu irmiti se formation formation ai kirgite mo igo dumdumiya par exemple irnir projet fote kan signe sista for sista projet din kan irgite irgu kwai dai no raya yaki ne sintina ga dai zankai wani irgu margu zankai da hairai irmi ha sandin gaiwo kan bugoi fodumano gaiwo igba imite imi dondonandi mm. kan igidi kan kan bugoi edini ite yangai sindi dorandi kwai mo sanda ma cer premier ki kan yi teda mm. asi aceci yan wasu gaba igi hingu dwa ikwarai bumboda zama mm. han foyen dinu bora donona ni kambugoy bumboda dim eh, eh haya kanga kambugoy dinte asima naga goyo site goyo site mm. Eh, ya dinga irgin ha hay kan nogi se to ibayan ay kulu hay kan ite ifoni gine ha se les choix de formation qu'ils ont fait mm. qu'elles ont fait plutôt elles ont choisi des des des activités borienne agroalimentaire borienne eh, dugu teyan bari yande safin teyan ifo kulu da wakan abai kan agudu oh, a wani kwagara mm. saran dogan da wai barai ine inga yiwo haikan yi ba imtin gaise ibi min donanin da safin teyan savon likid savon à morceaux à base de moringa. Zami kwarera, il cultive beaucoup de moringa. Moringa kali sa ner, kali isuduga ner, kala amsara. Mm. Ima kogandi yamu. Yadinga, ini dondonan de moringa d'une transformation mm-hmm. en savon liquide, en savon à morceaux, en thé, tisane. Mm. ini donnanan moringa transformé en poudre thérapeutique mm. ini donnanan pas mal de choses transformation du moringa. Donc le moringa, c'est quelque chose qu'ils peuvent trouver à leur niveau. Mm. Et on leur a alloué un budget pour acheter tout ce qu'il y a comme savon. Mmh. Sarando, c'est pas loin de Niamey. Elles viennent à Niamey se ravitailler en produits qui, pour faire les savons et autres. Là. Voilà à Maradi, par exemple, on a fait deux communes. Maradi, on a fait la commune de Tibiri et puis la commune de Hachi de Kohoto. Tibiri, par exemple, eux, ils, produisent beaucoup de fruits. Des fois, c'est les citrons, des fois, c'est les goyaves, tomates, fruits et légumes beaucoup. Donc, elles ont choisi de faire des, des, formations en Macédoine, des formations en jus naturel, des formations en sirop, en confiture de ces fruits-là. Donc, au lieu que ces fruits-là soient produits en grande quantité, donc elles ont appris à transformer ces produits-là. Et quand elles les transforment, elles les vendent. On a une fois organisé une foire où elles, sont toutes venues, les régions d'intervention, elles sont toutes venues, elles ont exposé leurs produits pour que les gens connaissent ce qu'elles font. Et des fois aussi, quand il y a des foires dans certaines régions, on mobilise, on mobilise des fonds, que ce soit en, comment on appelle, transport, pour qu'on leur paye, pour qu'elles aillent aussi exposer leurs produits, pour qu'on voit ce qu'elles font, ainsi de suite. Et avec ça, là, beaucoup de ces filles-là ne sont pas données en mariage parce qu'elles ont une activité qui leur génère des revenus. Et qui elles les occupe plus une charge pour mm-hmm. leur famille. Mm-hmm, mm-hmm. Voilà. Euh, Mokhtar Dohari, tu es animateur, tu es présentateur aussi d'émissions dans une radio ici de la place. Chez vous, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mariage des enfants, que ce soit les filles ou bien les garçons eh, de nos sanda irwon ga kasina da kokare kan irgo kan ganan zanga kai ne hija imaduga bonza wo irga lahane no irigu ko kargina gabore kebe ifo ga ti lahane di yan. kan din wo borwo in higen di sankatare aga kande wai borabun bo ba funa se a here se da al'umma mo se di hini wai bora se suru kala a bera tonan kan kinno a to hege ifo ga ti na fai kan yan aga kande za wai borabun bo se za a here se za kurnyo kan ga higi se irga boro bun e fermo kona halga kasuhun da bayan woboro zanidi in wasu ga hijeni kullo kolni ga kai miye ga hijeni irga boro bun e fere sigiri yanno irga te kanga boro bun e fere na fai kan yango wai boro da a kyaura na fai kan yango a se abun bo ba funa do hare a wani kurnyo ga yango do hare a herai sajo yango do hare da a wani izai kan yan irkoi ga arzakan da markanci na gini gaida dede ga hunkuna waibor din waibor hijinin alboro da aman kyau da ni zahai dori su dumi ba su dumi su ka na ba dai palino ni zai di. no na ga se friday ga ka gono ase ngono ne din no koy godo to se friday hayu ma hanfo sefar no giye ga kan da lahan ga ton zama wo burada aman kyau bai ba sefar matikin nungi ngano ko kiyase irga bore fahamen wodin kul kanganan al'umma kulu ila kale maka ima bai ifo giti lahani kango waiboro ima wasa ga hegendira di ihina se suru ato ifo giti nafai kan yango ara ko kare kan irgo gote radiya do hare kan bogo bore bunga feri an kan gati zanga kai ni ihija do ai sabu gumgumo muktar eh, je reviens vers toi rabia Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas où des jeunes filles ou bien des jeunes garçons vous approchent lors de vos différents voyages ah, ah, C'est vrai que ben higi mais son mon sol du ir doit nyamay ir doit agadez ingal ir doit zander ir doit matkin comment est-ce que vous avez fait matkin bon. ni ya bonza irwo matkirgin ban bonza sensibiliser no bon fere no bon fere wodira irga ceci ga fahamandi borasi fonde yanni aka him gana zanga irwo ir suivi ni go faham donc bon fere wodira no irwo ci ase irma irga hinga oh, voilà irga fondo mm. nan e eh, o haya à mm-hmm. Faba. Mm-hmm. Voilà. Alors, avec les cas, vous ne faites pas de suivi. Mm-hmm. Est-ce que eh, une fille vous a déjà contacté pour dire que le cas était perdu d'avance Donc, il y avait une fille de Zender qui nous a contacté pour nous dire que son père qui est à Niamey et elle, elle est à Zender, donc chez une de ses marâtres. Et puis voilà, et elle a tout fait. Elle a suivi nos consignes. Elle est partie euh, d'abord au ministère de la promotion de la femme, la direction qui est là-bas. Elle a signalé. Après, le ministère a pris les trucs en charge. On a appelé son papa et le papa a dit que non, c'est en fait c'est son enfant et qu'il a le droit de décider à sa place c'est ce que la fille nous a dit. Elle nous a fait comprendre que, <coughs> bon, le ministère lui a dit que non, la, direction lui a fait comprendre que non. C'est pas que parce que c'est sa fille qu'il peut lui imposer un mariage parce que l'enfant ne veut pas, la fille ne veut pas et puis elle n'a pas l'âge de se marier. Donc elle nous a fait comprendre que le papa a refusé, elle il a catégoriquement refusé. Donc elle, elle a pris la fuite. Elle a fui et elle nous a contacté Si elle peut trouver euh, refuge, chez nous. C'est-à-dire à Niamey, elle va venir à Niamey si on a un siège ou quelque part où la cacher. On lui a dit que non, elle a le droit. Maintenant, comme elle a essayé là-bas, à Zender, ça n'a pas marché, elle n'a qu'à essayer à Niamey, comme son papa est même ici à Niamey. Ou alors de, voir des parents, c'est-à-dire les proches, pour que ses proches parlent à son père, etc. etc. Et c'est ce qu'elle a eu à faire euh, récemment. Elle nous a contacté pour nous dire que son père a renoncé. Je ne sais pas, c'était un chèque qui, lui a parlé ou je sais pas à qui. Franchement, je sais pas pour ne pas mentir. Quand il s'agit de donner l'enfant à mariage avant l'âge, les mamans n'ont rien à dire. Même si elles veulent parler, elles n'ont pas le droit de eh, parler. C'est pour vous dire vraiment que euh, les ONG font de leur mieux avec les partenaires techniques et financiers qui mettent l'accent sur ça. Il n'y a aucun partenaire technique et financier qui ne met pas l'accent sur le, qui donne pas, qui ne priorise pas, autant pour moi, euh, le mariage d'enfants, le mariage forcé, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, l'excision, etc., etc. C'est-à-dire toutes les pratiques discriminatoires et toutes les pratiques néfastes traditionnelles. Merci beaucoup, Zainabou. Euh, euh, Nafisa, comment est-ce que vous détectez les cas dans, pour les jeunes filles plutôt qui sont dans cette situation et est-ce que les cas vous, sont, euh, vous ont été signalés ou bien comment ça se passe À des occasions, c'est lors de nos activités. C'est lors d'une caravane qu'on a faite dans 40 villages de, de Et dans ce village-là, on était venu faire une sensibilisation, une sorte de plaidoyer avec des artistes. Après les sensibilisations, vraiment, ça avait touché parce que les messages étaient en langue les chansons étaient à langue, les pièces théâtrales étaient à langue, ça avait touché vraiment la population. Maintenant, une fois euh, tout ça là fini, il y avait une jeune fille qui était venue nous trouver de côté. Elle nous dit, ah voilà, voilà tout ce dont on a parlé, que elle, elle, elle, va bientôt être mariée, très bientôt. Il y a ce qu'on appelle là-bas Armen je ne sais pas comment on appelle ça en Zarma. C'est un mariage qui se fait avec un exodant. Il vient, on célèbre le mariage, il consomme le mariage et puis lui, il s'en va. Donc, il vient. on célèbre le mariage. Déjà, cette fille-là, elle a été expérimentée une première fois au rapport sexuel et tout. Donc, c'est compliqué par après. Des fois, il peut faire un an, deux ans, voire plus, sans revenir. Et la fille, là, elle est là. Elle devient la boniche de sa belle famille, tout ça, là. C'est ce genre de choses-là, ces filles-là sont confrontées dans, ces villages-là. Parce que, en réalité, les filles étaient laissées à elles-mêmes. C'est parce que ça, c'est encore pire que le mariage d'enfants. Alors, euh, on continue, mais avant de continuer, nous allons lancer notre rubrique rose de ce soir. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Chers amis jeunes, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la rubrique rose. Avec moi, Ruki, nous verrons comment dégager les voies respiratoires des tout petits et aussi des grands avec le froid qui s'annonce. Et avec moi, Fanta, nous verrons comment chuchoter le visage, les lèvres et le corps par ce froid. Et enfin, avec moi, Bibi, des astuces pour en finir avec les acariens. Ça sera dans l'espace déco et entretien d'intérieur. Bonsoir les filles, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'astuces grand-mère pour soulager les tout-petits mais également les grands des encombrements respiratoires. En cette période froide, le bébé pourrait contracter un rhume ou d'autres maladies respiratoires qui l'empêchent de bien respirer. Alors lorsque son état n'est pas très alarmant, vous pouvez vous contenter d'astuces fait maison pour le soulager, mais je vous recommande une consultation chez le médecin en cas de persistance. Dans votre cuisine, vous ne manquerez certainement pas de tout ce dont on aura besoin. De l'oignon, de l'ail, du miel et du citron. Broyez un peu d'ail et quelques morceaux d'oignon, c'est vraiment à votre goût, et ajoutez le jus de citron et le miel, puis mélangez le tout. Ensuite, vous pouvez le prendre avec une cuillère à soupe trois fois par jour. Vous pouvez aussi le conserver au réfrigérateur pour ceux qui en ont évidemment. Coucou les filles, on passe à l'astuce beauté. Durant la saison sèche-froide, la peau est l'organe le plus exposé et devient sèche et craquelante. Dans cette rubrique, on vous livre quelques astuces pour mieux entretenir et hydrater votre peau durant cette période particulièrement rude. Plusieurs problèmes peuvent ainsi apparaître comme des rougeurs, des démangeaisons, les tiraillements et ce qui provoque le teint terne, c'est-à-dire un manque d'éclat. Voici vous. Voici pour vous quelques soins à privilégier pour le visage pendant le froid. Le premier réflexe à adopter est d'hydrater la peau en continu. Une crème unifiante et hydratante est la base pour protéger son visage de la sécheresse. Enfin, comme démaquillant, on peut toujours imbiber du coton avec notre huile végétale habituelle. Ça ne fera que du bien à la peau. Un peu d'attention pour les lèvres. Les lèvres sont très sensibles au froid et en plus elles sont surexposées. Il ne faut pas oublier de les nourrir régulièrement à l'aide d'un baume nourrissant comme par exemple le beurre de karité, et surtout éviter de les humidifier avec la salive car cela les asséchera davantage. Passons à présent au corps. Voici quelques astuces pour préserver l'hydratation du corps en saison froide. Une douche courte et à température tiède évite à la peau de se déshydrater davantage. En effet, l'eau chaude est connue pour retirer son humidité naturelle. Le gommage à raison d'une fois par semaine permet de retirer l'excès de cellules mortes qui les rendent rugueux. Le beurre de karité est l'ingrédient naturel idéal pour les peaux mates et foncées en période de froid. Il s'agit d'ailleurs d'un soin traditionnel que l'on retrouve dans la pharmacopée africaine. Le karité n'a pas pour seule fonction d'hydrater, il nourrit également la peau en profondeur. La rend satinée et souple. Les crèmes et les corporels hydratants adaptés aux peaux noires apportent aussi une hydratation optimale à l'épiderme. Privilégiez ceux à base de karité, d'huile d'amande douce et de macadamia pour celles qui peuvent en trouver. Merci Fanta pour toutes ces astuces. Passons à présent à l'espace entretien et décoration d'intérieur. Comment se débarrasser des acariens dans nos maisons Bien qu'ils soient invisibles à l'œil nu, les acariens sont des petits arachnides microscopiques qui prolifèrent dans nos lits, tapis, moquettes, matelas, rideaux, canapés coussins, draps, peluches, jouets, livres, ils sont partout. Ils colonisent notre intérieur et aiment bien les endroits chauds et humides ainsi que les espaces poussiéreux. Eh bien, ces petites bêtes microscopiques seraient responsables de près de 45% des allergies respiratoires et provoquent des allergies cutanées et oculaires dans la conjonctivite. Maintenant, des astuces pour s'en débarrasser. Astuce numéro 1, on évite l'humidité et la chaleur. Les acariens aiment se nicher dans des endroits chauds et humides. Alors pour éviter de les attirer, aérez votre maison chaque jour pendant 10 à 20 minutes. Astuce numéro 2, on évite les tapis et les moquettes. Certes, c'est compliqué pour certaines, mais même si ces accessoires de maison sont chauds et doux sous nos pieds, il est recommandé d'éviter les tapis et les moquettes, surtout dans les chambres, car ce sont des nids parfaits pour les acariens. Préférez les parquets ou le lino. Plus facile à nettoyer, ce qu'on appelle ici euh, les parterres. Astuce numéro 3, on préserve sa literie. Le lit est un nid parfait pour les acariens, donc changez des draps au moins trois fois dans la semaine. Lavez régulièrement vos couvertures de lit, vos oreillers et vos protèges matelas en les exposant au soleil. Cela tue les acariens. Astuce numéro 4, on dépoussière. Les acariens sont présents dans la poussière. Donc soyez soigneux et dépoussiérez chaque semaine vos pièces de la maison en pensant à chaque coin. C'est tout pour aujourd'hui. On espère des espaces de vie bien propres, bien sains, une belle peau et moins de rhume. C'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine, amis jeunes, pour encore plus de bons plans sur la public rose. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Chers amis, nous sommes de retour. Je vous rappelle que nous sommes toujours au studio Kalangué. nous parlons sur euh, la contribution des structures de jeunes dans la lutte contre le mariage des enfants et qu'est-ce qui bloque. J'enchaîne avec euh, mes questions avec mes invités. Et Rabi, sachant que votre structure est ici euh, à Niamey, personnellement, depuis tout à l'heure, j'ai remarqué qu'on ne fait que parler des cas de jeunes filles. Mm. Pourtant, quand on dit mariage des enfants, ça concerne les garçons et, les, filles. Ça. veut dire que les filles sont plus concernées par cela que les garçons ou c'est comment Oui, effectivement. Les filles sont les plus, les plus concernées en fait. Asino, Ifonigne, Iro, Irhaiwakulu, c'est dire comme violence dohare. VFF, Bono, Irga, Targa Bazé, VBG. Des fois, Irga Sidanga.

Hayatou Faisons une pause euh, musicale. On écoute euh, le groupe Processus euh, Verbal avec son titre Marraine et on revient juste après pour continuer notre discussion sur notre thème super super crépite Que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl. que tu sois ma reine, que tu sois ma reine. Que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl. Tu es celle que j'aime. Tu es celle que j'ai, celle que j'ai, celle que j'ai. Je suis calé ici, ici, toi t'es au mon Sans ma oh. je serai ton drone. C'est ma vie que tu domines, tu m'aimes trop, je le devine. L'homme de mal, je le flingue. Casque sur la moto. Fais des c'est des photos. Vas-y, fais moi tout est photos Ceux qui parlent mal, c'est des Allez, mets le son, vas-y dans sa porte. Et on est bien, mais c'est pas ma Tu le sais bien, je te veux. Mon mariage, si je le veux. L'une de mes, plus pompe. dès gosses, je ne veux que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl, que tu sois ma reine, que tu sois ma reine. Que tu sois ma reine, mon ghetto love, ma gangsta girl. De retour euh, dans notre émission après la petite pause musicale et j'enchaîne comme d'habitude avec mes questions. Euh, vous qui faites des émissions et des trucs par rapport euh, à la question, quelles sont les difficultés auxquelles euh, vous faites face pour euh, lutter contre euh, le mariage des enfants eh, tangamokanga irgo an kangite zanka kaine hija irwan sigire kan yan irgate gabore bu mai feri ya dai kan gono ga sakam danga ir segumo ingegati har hinka dir sombu woy bore do hare talkatara mm. ta adina ngono bore gogo ga sambo irse nungu yan kaga sabana kan woy zo bora kan ga ka ga ce kin ga mahegi bor bun ni ga ni bonse al'umma kul ga bai ko kiya here bun bo ga bai kaman cin ga bar boranu nore de na bunga mun gaibo mm. imi ko kiya sam gono ase nungi ni ga di dikan a isine kala manti hay kul se kala zadon annabi bumbo annabi wo borgol sine giri Nguno ingino iga danga garo irse nungi yam mo gona kan tere kan yan hunkuna wai furta ya igono gate inga seno igwa sigi higen zama igine bani man bora higen di haya kan da a hige a gite akwai ka te tare ya dinga nima higen di am su koi gar foken daga kan daga inga seni ga higen di dir sambo alborai zai do hare alborai zai do hare asiba gumu alborai zai har zani di iwa siga bora higen di to kulo ka ga saban kan alborai zodin ingi hinno gongu wani hera sai to kula herai woga di kan game wasu ga higen di gudu gudu hama sadi hinai amma da bayan nungo kan gwasi gi higen di yongo gote nguno tuwo borai do hare wo borai do hare mo dalili hinza nguno gono kan giti wo kai cin sai wo talkitarai adina da mu wai borai zai hun kuni iwon burkin tara kan isi ga gayin gai bonse ai sabu mukta mm, dai fa ma sai no ibato ni binde zainab et eh, qu'est-ce qui bloque votre lutte euh, dans tout ce qui est empêcher le mariage des enfants là ben écoutez pour mener une lutte, il faut d'abord l'engagement euh, de la population. Il faut qu'il y ait un soutien venant du gouvernement. Euh, les partenaires, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers sont là, sont présents, mais souvent, euh, la forme, c'est-à-dire il y a un manque d'information, si je peux le dire. Il n'y a pas de communication. Les associations sont là, les ONG sont là, les jeunes sont vraiment compétents, dynamiques et déterminés à lutter contre euh, cette pratique. Mais très malheureusement, elles n'ont pas de financement. Souvent, il y a des ONG qui commencent par euh, leurs propres fonds, mais par la suite qui abandonnent. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas de quoi continuer ce qu'elles ont commencé. Alors, euh, avant de finir, nous allons appeler Olivier pour sa chronique du jour. Hier, je parlais de l'analyse d'Éric Dupin sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Dans sa nouvelle stratégie économique, le nouveau boss de Twitter compte facturer la certification des comptes sur le réseau bleu. Il y aurait actuellement 400 000 comptes certifiés sur Twitter. Si tous ces comptes prenaient l'option payante, cela rapporterait 38,4 millions par an, soit même pas 0,8% du chiffre d'affaires annuel de Twitter. Selon le journaliste Eric Dupin, Musk a racheté Twitter dans une espèce de logique de revanche sur ce qu'il considère être l'establishment ou encore ce que nous appellerons, nous, le système, sachant qu'il est un gros utilisateur de Twitter lui-même. Avoir les différences entre les chiffres et les ambitions d'un milliardaire, c'est une sorte de caprice de milliardaire qui a poussé Elon Musk à montrer qu'il pouvait racheter le réseau social le plus influent du monde et surtout le plus politique. Pour preuve, cette semaine même, les Nations Unies ont demandé à Elon Musk de préserver la liberté d'expression à travers Twitter. Le président français Emmanuel Macron a également demandé à Musk si l'oiseau bleu, Twitter bien évidemment, protégerait les enfants, en faisant allusion aux politiques de harcèlement sexuel sur la plateforme. En début de semaine, en pleine campagne de mi-mandat aux États-Unis, Elon Musk s'est invité à ces élections Et eh bien comment En demandant à ses plus de 100 millions d'abonnés de voter pour les républicains. Chers amis auditrices et auditeurs, en rachetant Twitter, Elon Musk ne gagne pas de l'argent. Il en perd au contraire. En tout cas, pour le moment. C'est d'ailleurs probablement pour cela que, arrivé à un moment donné, il aurait voulu annuler la vente. Car c'est un impulsif, et ce rachat s'est probablement fait sur un coup de tête, dont il a seulement mesuré les conséquences financières, politiques et sociales après, ce qui l'a poussé à renoncer, mais en vain. L'histoire est pavée de cas de grands capitaines d'industrie qui, à un moment de leur carrière, se payent un média. Et c'est rarement pour faire de l'argent. On est davantage dans une logique d'influence, de pouvoir, de puissance pour narguer les rivaux aussi et combattre ce qu'ils considèrent être une certaine bien-pensance des rédactions qui est selon eux une entrave à la liberté d'expression. Musk, avec son argent, s'est payé tuteur comme on se paye un jouet pour pouvoir le modeler à sa main, mais probablement pas pour de l'argent. Et vous qui m'écoutez ce soir, quand vous aurez de l'argent, qu'auriez-vous payé D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love, bye bye et surtout à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup Olivier Mokhtar. Est-ce que vous avez un dernier mot Haifogon kang baram tonton. Agamchi fogtage se walmo fogtage haiga ese zankai wani hijandi ngobo. Adala ah, eh onkan ege tonen di zankai hijandi ngobo. Inga giti heirei hima ga baikan da hare bere. kulga ni hima ga barmai. Wato zanga kai ne hija ingen suhun zanga kai ne hija iman tafo zam wato din zanka dini higen da alborse albora gi hingu goren da wai bora jiri hinzi ta ci igu ka agode ga biyar no halla kan hana agato wai borgo bore honkuna albor kul seno isi jiri iye zi higen di agoki di kan guwande dino dama ne ngama batu jiri wai hala agato wai boro ne guwan dino ngunoro no danga hiji ya diniga tundi hine a bagin jihau zade ka kun bore sigi ni suri sigi albore sin gibiri hal bora ga to imin nan hal wat kan no bora to hege aga te irti manta me da ame marganta se nafa aga na fo dai wai bora bumbo a wani bafuna ba bafune hannu a silebu amma hai izi yamma kan no agi ma da ni ya kai dai dungurin yara al'umma kulu agi nafa wai din banda zahirai za aslam tare kungiya borai borai kulma bai kan wallahi barmai yonote ya dinga kan barmai yonote din ima yadda na wa kante irma gangi hino do hare inga yimu fonde din kan yi ga gorende di imsi kita fonde din daga tir kware hinne bon dini kita fondu wo ma ima da ga kebe labi zai kulse kan wallahi kita fondu a gona bor kul kan ne tamu kita fonda gin karmat ka himada dana bor fo karan bor hinka kar wallahi a gaban zamzar mai man ne kala Bah, oh. Il n'y a pas plus belle façon de terminer. C'est ici que prend fin cette émission de Tous à la Fada avec nos invités du jour. Je vous remercie de nous avoir honorés. On se dit au week-end prochain pour de nouvelles actualités dans l'émission et dans le programme Jeune.